Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de nos jeunes candidats au baccalauréat session en 2021. Ils sont là <laughs> Ils sont là ils sont, ils sont prêts, ils sont bien préparés. Et yo, muka ce bari mu su hallo nasu ya Je précise hein, pour information, qu'ils seront plus de 80 000 sur tout le territoire national à affronter ces épreuves. Rappelons que les épreuves écrites prévues pour se tenir le 27 juillet à Kamaida et au 4 août Je suis sanarwar da de kula karatu mai à tout cela s'ajoutent les nouvelles réformes qui particularisent le bac cette année. Misalin, shirye-shiryen takardun nasu da yanzu gwamnati ya da a kan yanar gizo za a yi a dora wani dossier wani na candidature a biya wani fure da menene duka wannan yanzu an da shi bisa kan harkar na'ura ke jeran shi. to yaya ne suke shirya wannan babbar sharbawar da za ta buɗa musu ƙofofin jami'a da wasu manya-manyan makarantu surtout avec ce report Comment ils gèrent le stress Dans quel état d'esprit vont-ils affronter ces examens Installé au CIP Management, aujourd'hui, euh, je crois que ici, vous avez initié une activité pour accompagner ses élèves mm -hmm. su kwantar da hankalinsu su C'est da hankalinsu su karatunsu da kyau yawwa en 2021 C'est ça, shi Inch'Allah. Allah 2021 Inch'Allah. <laughs> Ben mais voilà oh là là ça c'est notre cri de guerre de la fada aujourd'hui <laughs> ben aujourd'hui nous sommes avec euh, Rafat Boulkassoum eh, nous sommes euh, ici aujourd'hui dans le but de pouvoir euh, expliquer aux candidats comment ils doivent gérer leur stress surtout en salle d'examen. À cette fois, nous sommes avec une Miss. Tu me dis ton nom, s'il te plaît Rahila Abdjolata. Rahila, ça va Ça va. Toi, tu fais quel terminal Terminal A. Donc, tu vas dire bye-bye euh, à la terminale A. Oui, bien Inch'Allah. Nous sommes avec une autre Miss sur notre émission aujourd'hui. Tu t'appelles comment Maman Diara Hajara. Maman Diara Hajara. Et toi Ah, bien choco chocolat. Hey, lui la même. Merci, merci. Il va te le bac bien choco choco. Hum. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça va, tu t'appelles comment euh, je m'appelle Anougar euh, Almougar euh, je suis le secrétaire général du CSP La Relève. Uh-huh. Je suis en même temps aussi l'un des mobilisateurs donc, de cette initiative. Mais tu es également candidat Voilà, je suis également candidat. Quelle série D j'ai fait la TD, ah, voilà. même, tu as le temps pour. <laughs> Il a avec le hein. vu comment il est zongo, zongo Nous avons également autour de nous plein, plein, plein, plein, plein de candidats. Vous êtes prêts, non C'est bon Oui to kamar ka sani ma shuraren wannan shirin kun dai ji wa'annan ɗaliban da muke tare da su wannan shirin zan mu ci gaba da shi hallo da music kinmu da kuka sani da rubrikin da don ke sarrafa mana kowane sati kuma da kronikin da olivier yake zo mana da shi pour agrémenter cette fara spéciale bac Bientôt, les portes des universités et des grandes écoles s'ouvriront pour les chanceux bacheliers nigériens. Amma kan akai wannan lokacin, kan akai wannan lokacin murna, sai an shirya ma wannan jarabawar. Ko ba haka nan bane? Kun shirya? Kun shirya? Mun shirya ok kun jira ko sun ce sun shirya to kan mu ci gaba da hira ta mu tare da wa'annan ɗaliban wanda muka so muka da a yau a nan sip management a unguwar nous avons rencontré quelques candidats sun gaya mana ra'ayinsu bisa kan wannan gusawar da aka ma wannan jarabawa tasu et on se retrouve juste après on fait de notre mieux on, on révise on ne peut pas gérer le stress vraiment on espère que c'est le dernier report on ne va pas encore repousser la date avant, ça se, on se préparait, mais maintenant qu'on a reporté la date, vraiment, on a été démoralisé. Je suis retournée dans les révisions pour voir quoi réviser encore. c'est un peu décourageant, mais on fait avec. Surtout, on est là avec l'histoire géo. On essaie de voir les chapitres qu'on a manqués et puis un, un, peu faire maths aussi. Bon, avant, on était prêts, tout ça. Mais avec euh, le report, maintenant, bon, le stress est un peu augmenté. Vous voyez, non Comment tu sens ce report-là Comment tu le vis Vraiment, j'étais prête, mais quand on a reporté le bac, j'étais vraiment stressée. Surtout hier, je révisais Histoire je voyais que non, vraiment, j'étais pas prête, non, ça n'allait pas, les dates ne rentraient pas et tout. Donc quand j'ai vu la conférence, je me suis dit que bon, je vais venir visiter, peut-être que ça pourrait un peu m'aider. Et quand je suis venue, vraiment, j'ai retrouvé la confiance en moi que j'avais avant qu'on repose le bac. Et je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Et ça m'a donné le temps de faire le point sur mes révisions aussi. J'ai fait les récapitulatifs de tout ce que j'ai pas bien compris et tout. Mm. En tout cas, oui, oui, ça m'a aidé. puis, j'ai eu aussi le temps de me reposer. Donc, je dirais que d'un point de vue, ça a été un bien pour moi, le report de ce voie. Bon, d'abord, j'étais complètement découragée. Même dans mes révisions, on Ça m'a vraiment pas plu d'accueil reportage. portage. Hmm. Parce qu'on était à bout, on est fatigué, on a hâte de finir. Et eh oui, voilà. On m'a gâché le Donc, du coup, même dans mes révisions, on essayé j'ai dit que pour un temps, je vais me reposer. Après, du coup, je vais prendre les cahiers. Donc, ouais. Mais d'un côté aussi, il y a mon reportage. Maintenant, je ne stresse plus comme avant. Hmm. Et voilà, okay. ça va. To, Eh wa yanzu Zango zango. C'est ça. <laughs> Ka gani dai wannan gusa da aka yi wa'annan su sun ce sun ƙara samun dama hallo su ƙara diddiba wannan karatun nasu <laughs> da abubuwan da ba samu suka yi ba yanzu na samu su yi yanzu kai ne u kote mm. preparation eh cikin preparation kina eh. wanda nake yi examen na yi nisa kuma na ba rendez-vous kan cewa a partir de la première date fixée ina tsaye da komi kuma je serai vraiment capable de faire du mon mieux kawai ka shirya tsaf kawai na shirya tsaf maintenant ko na ji an ce an ƙara reporte sai na ji kama rendez-vous da na ba kaina an saba kan shi amma wannan ya bani wata dama tunda Lokbala. Ok, d'accord. To yanzu zo wajen kaikin da kake taimaka musu cikin wannan shirye-shiryen da suke yi na jarabawa tasu. Ai, kuma baka kin bana il y a eu des changements. <laughs> Vraiment, c'est du nouveau, du jamais vu, s'inscrire euh, en ligne, tout ça là avec tout ce qu'il y a eu comme changement comme on changé, changé merci voilà donc effectivement je pense que le report euh, ça ne va pas jouer un impact euh, totalement négatif ouais, ouais, ça va au contraire leur permettre même d'être plus à l'aise. Vous avez écouté tout de suite les, candidats. Euh. Ils ont dit qu'ils ont même mis le temps de pouvoir réviser les parties dont elles n'ont pas révisé avant. Donc c'est un avantage, moi je, je pense. Mais c'est tout que le ministre avait déjà dit que c'est dû à un manque peut-être de matériel. Ils n'ont pas eu les matériaux nécessaires qu'il faut pour la préparation de, ces examens-là. Donc ça va aussi leur donner le temps de pouvoir avoir euh, vraiment les moyens nécessaires qu'il faut afin de pouvoir organiser ces baccalauréats dans de bonnes conditions. Mm, c'est mieux, il vaut mieux qu'on se prépare. Si on n'est pas prêt, pourquoi affronter le bac Ok, zan dawo janka. Yanzu kai yi zancen stress kwanta da hankali. Um, ya kake ganin ba bashule kin gana bana. Notamment wanda kuka recevoir a yau. Uban dawaki ya kake nan ganin su. Stress kin sa ba kana gani suna nan gajere ko koreya yani yanzu. Gaskiya a yanda nake ganin su Mm. bayan wannan evenema da muka yi musu organize na samu wurin mutane shida da suka zo suka ce min gaskiya sun gamsu da wannan abin da muka yi musu mm. inda irin wannan abin a duk wani jarabawa kahun shi suna samu ana musu irin wannan abin je zai taimaka musu sosai a sal da examen don saboda su samu eh, diplom kinsu insha Allah. ok to mm. kenan kawai da daman hankalin su dai a kwance dai hankali a kwance eh, pour dire aussi hankalin kwantar da hankalin su ne ba samu ba eske ba yi kamar yadda nake so in ce muku motivation ban san ko ya ake ce mishi ba a zarin nasu suka kamar ya dan rage ko kaman mm. kaman kuzari kaman ko in ce yadda suke dukan mm. shi kwarai babba da eh. tsoro eh. ba haka ba a tsoron yanzu ya rage tsoron tsoron yanzu ya rage yauwa to kun jire ko ya ce mm. dai wa'annan ɗaliban da suke tare da su yana ganin tsoron nasu yanzu ya rage <laughs> ko <laughs> to kun ji mu tare da wannan ɗaliban yanzu kamar cigaba da hira ta mu tare da su za mu zo mu ji rubrikin shi cikin wannan rubrikin wannan gamin da wani artist ya hira et on se retrouve juste après avec euh, nos candidats à l'édition 2021 du baccalauréat au Niger. L'artiste s'exprime, reçoit l'artiste Limanja qui n'est plus à présenter. Et si ce premier temps, nous allons réunir toutes les conditions pour parler du parcours en question du combattant. Tout le monde connaît l'Imanja. Et on doit euh, peut-être définir un certain nombre de choses ben euh, pour permettre à tes fans de comprendre d'où vient l'Imanja, c'est important. Et il y a certainement aussi beaucoup qui te kiffent, qui kiffent ta musique. Ils ne savent pas qui tu es, ton nom et tout ce qui va avec. Commençons par l'état civil de l'artiste. Abdel Nasser Limanja. Abdel Nasser <laughs> Limanja. Alors Abdel Nasser Limanja, il est en quelle année euh, Dans les années 80, voilà. Dans les années 80. Il est indécis, il ne précise jamais. <laughs> dans les années 80, c'est tout ce qu'il peut dire sur l'émission. Un 27G. Un 27G. Yeah. Et dans les années 80, ça veut dire que tu ne vas pas me préciser l'année. Ben, euh, ça va quoi. Ça va, il n'y a pas de souci. Alors, Dimanche, aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours. On va parler un peu de tout ce que tu as mené dans euh, cette vie artistique. On sait qu'aujourd'hui, euh, tout le monde parle de toi. On sait qu'aujourd'hui, tu n'es plus à présenter. Le Niger te kiffe. Mais à travers déjà l'artiste s'exprime, cette rubrique euh, de l'émission Tous à la Fada consacrée à la jeunesse nigérienne, nous sommes kiffés à travers 46 radios partenaires. Nous sommes kiffés à travers City Division. Dimanche, l'aventure a commencé en quelle année oh, Dans les années 2000 2001. Ah oui, un truc comme ça, 2001, 2002, voilà. 2001, 2002. Voilà, c'était à Zender. À Zender, que tout a commencé. 2001, 2002, ça fait pratiquement donc 20 euh, ans que tu es dans l'arène musicale. Une, carrière comme ça. Une carrière de malade. Voilà. Mais quand est-ce que tu t'es révélé au grand public Et euh, c'était en 2003. 2003 hein. avec, Oui, oui, oui. Avec euh? Avec mon premier son que j'ai enregistré, c'était à au grand public de Zender, je veux dire. oui, en 2003. Là, j'ai fait mon apparition. 2003. 2003. Voilà, Super. Alors, tu te rappelles un peu de l'année euh, où tu es devenu manja en carrière solo sans l'autre Tu te rappelles un peu oh. Bon, un peu oui, un peu oui. C'était les années où tout le monde était en groupe, en groupe, tu vois, non Ok. Et moi, je me dis, je me suis dit, là, je dois commencer seul. me suis dis, bon, il n'y a pas de souci, je vais commencer parce que si je ne commence pas, je vais arrêter le rap et la musique, là, je ne vais pas arrêter. Je vais continuer jusqu'à devenir un putain de milliardaire, you Donc, je me suis dit, continue maman. Je J'ai continué seul, seul, seul. J'ai fait jusqu'à en 2015, un truc comme ça. Il y a eu un concours qui m'a un peu boosté jusque-là. Donc, on est là en 2021 simplement. On va parler bien évidemment euh, de ces, de, de, de, primes parce que tu as été, on l'a dit en semaine, tu as été primé à moult reprises. Parlons un peu de ces compétitions, parlons un peu de tes trophées, parlons un peu de ce que la musique t'a donné. L'image c'est important. Oui, bien sûr, parce que euh, bah, la musique là au Niger, je me dis que ça va, hein, ça paye, ça m'a un peu payé. Ok ça a commencé à me payer mhm. parce que les premiers millions, les premiers beaucoup millions, <laughs> c'est moi. les premiers beaucoup de Les premiers beaucoup millions, je les ai empochés, je les ai mis, je les ai ouais, mais j'ai Ah, mais je sens les yotas, hein, je sens l'espace quand on regarde du pied jusqu'à la tête, on sent déjà que tu brilles, hein, on sent déjà que ça après, la musique pour toi. Après, on a continué avec les, contrats, les tournées, tout et tout, et jusqu'à ça paye, ça paye, merci, Dieu merci. Lauréat Mourière Niger, mesdames et messieurs, nous allons parler de cette compétition musicale organisée par Intelligent un toute cette compétition. Tu as une fois été primé euh, euh, par, par, le Niger. Le Niger t'a choisi comme, eh bien évidemment, meilleur artiste. C'était en quelle année C'était en 2015. 2015. C'est un truc qui s'est passé euh, tu vois, il y a eu des, éditions, mais celle de 2015. C'était un peu spécial. Bien, bien gravé, tu vois. Parce que c'était en direct avec tout le monde. Bien sûr. tout le monde pouvait euh, choisir de lui-même, par lui-même. Bien sûr. Donc ça veut dire que le public était là en face, tout le monde attendait. Et c'était. une première fois que euh, tel ou quelque chose organise un truc qui a pris, qui a bien pris. Bien sûr. Et après, ils ont arrêté. Ok, d'accord. Alors pour le rap, pourquoi euh, oh, Je sais pas, c'est peut-être le rap qui m'a choisi. Hein. Donc c'est le rap qui t'a choisi ben, Je me dis que c'est ça parce que je n'avais jamais compris pourquoi j'ai commencé à faire la musique. Nous avons besoin de la vision de l'artiste en ce qui concerne le sujet musical de rap. Comment est-ce que à voir le rap au Niger Et tu vois, euh, ça a commencé bien, mhm. c'est devenu au milieu. Mhm un peu les petites querelles, les petites clashs et tout ça là. C'est vrai, dans le game, on a besoin de ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter et se dire que maintenant, c'est le Niger qu'il faut qu'il avance dans la musique. tout simplement. Nous, c'est de ça qu'on a besoin. Ben, voilà. Tout simplement. Parce que même moi, avant, j'étais là. Tu me dis, euh, que je t'ai dit, va te faire foutre, dégage, j'ai pas besoin de toi. Tu vois, mais là, j'ai compris que maintenant, c'est pas pour moi. Il eh, faut le pays, tu vois. nous sommes pratiquement à la fin de l'artiste s'exprime. Du premier angle sur l'émission Franco Aoussa. L'instant est sur la tête. Et on voudrait que tu fasses, que tu t'exprimes à l'endroit bien évidemment de tous les femmes, à l'endroit de tous les artistes, pour qu'ensemble nous puissions changer les choses. Oui, ok. Donc euh, je me dis que si aujourd'hui les artistes se réunissent ensemble, tous ensemble, pour faire euh, au moins des compilations, exemple toi, moi qui me regarde les artistes, je veux dire, on se réunit pour faire un bon son, je me dis que les fans vont venir, les fans de chaque artiste vont venir. Exemple MBM, Safia, Hakim, euh, Barakina et tous les autres, et Abel, et etc. Tous ceux même à qui j'ai pas dit leur nom, ça va quoi, big up, you know. Donc, il faut qu'on réveille la musique tous ensemble. L'artiste s'exprime. C'était Dimanja sur l'artiste s'exprime. On revient sur la FADA. Nous sommes avec euh, nos bacheliers, nous sommes avec euh, nos candidats qui se préparent et qui sont prêts. Beaucoup d'entre eux, vous les avez entendus tout à l'heure, ils sont prêts à affronter cette grande aventure qui les attend. To. tu fadar mon fada, Rafa conférencier, euh, conferencier et Hajara Hajara elle est toi aussi tu es la terminale 1 hein. la Misra Hila Moi, choco choco choco mon candidat le plus choco même almugarba suleiman <laughs> da uban dawaki da kenan tare da mu wanda ya shirya ma wannan ɗaliban wannan haɗuwar da suka yi don dai a zo a taimaka musu bisa kan tashe-tashen hankalin da suke da bisa kan shirye-shiryen nasu a gaya musu an da ya kamata su yi komi dai ya tafi musu daidai to kun ji yau hira da muke nan ga tare da su wa'annan ɗaliban namu wannan bakin comment ils se sont préparés comment gérer le stress et quels sont les pièges à éviter zan ci gaba da tambayoyin nawa a su niveau menene yake tada muku hankali eh, hadara yanzu gare ki mine ne ke tara miki hankali akwai ko wata maciyar ce ko yan turki na papi matrize jusque-là abin da ke tada min hankali daman tun da bi shine histoire geo <laughs> Et puis c'est les dates. Je sais que c'est ça le plus grand problème de presque tous les élèves de la TA. Ouais. Les dates, il y a vraiment beaucoup de dates à apprendre, à mémoriser, chaque événement avec sa date. Donc c'est stressant on a peur qu'on se retrouve devant le sujet. Voilà, les dates se mélangent dans nos têtes. On ne sait pas comment faire quoi. Donc c'est un peu ça qui nous stresse. Ok. Mais Bon, ni la chafino avec les citations et autres. Parfois même si tu connais les citations, c'est hmm. Et ça c'est une grave erreur au bac, on peut même barrer si tu confonds les auteurs on peut même parler. C'est ça qui est un peu stressant. Ok. Voilà. Shi dai ne ke dai ɗaukar miki hankali kike eh. gani ya kamata a cikin kin tsuku a bisa kan shi kai fa NTD. Voilà, ni abin da zan cewa ke stressé na. Et puis j'ai pu le découvrir ici mhm. à travers euh, cette conférence. Au fait, c'est la pensée est-ce que on va amener des choses auxquelles je suis vraiment capable de lui répondre. Et maintenant, d'autres problèmes aussi. Mon entourage, tout le monde est à l'écoute. Ah, jusque là, jusque là, les bac jusque là. Il y a d'autres qui m'appellent. Ah, jusque là, j'ai entendu, on a reporté. Donc, ça me stresse. J'ai dit, ah, donc maintenant, si je ne suis pas admis, mm. voilà, la famille est là et tout. Bon, je vois un peu, c'est vraiment gênant, quoi. C'est ça qui me stresse. J'ai dit, ah, don sai sa abin da ke dan kawo min wannan rashin kwanci hankalin kenan kwa tituna ne na kamar yanzu in dai ban samu ba akwai matsala yadda ma zan iya hita mutane su gane ni kuma yadda zan iya yi ma mutane responding ce masu gaskiya abu bai kyau ba shine mai amma na gane cewa tare da duk abin da ka doka ta wurin wannan ne conference kin da muka yi a travers tout ce cewa ya as à mintuna maintenant tu peux te concentrer et avoir confiance en toi hmm. voilà tu vas aller dans la salle d'examen avec confiance Ouais, Donc tu vas te dire que je suis capable, je peux faire. Je peux le faire. Voilà, je peux le faire. Donc maintenant j'ai eu. Voilà, voilà, merci. Donc kina vraiment vraiment a une euh, conférence qui est organisée. Ça m'a beaucoup aidé. Super. parce qu'à chaque fois quand y a l'examen qui s'approche on dit qu'on n'a même pas fini le programme tout ça là cette année il n'y a pas ce problème qui qui peut répondre ici dans l'assistance ma chérie wazamba yawa kai ga Ana suis eh, Omar. Omar, to yane, ne, ekwal eh, kin naka inda kake kare programme, komi Bon, eh, mon mon kare presque dans toutes les matières. Hmm. Seulement la philosophie, la toute dernière partie non. mon mm. Comparativement aux autres écoles, on n'est pas en retard. Ok. Donc il y a des écoles Comparativement, oui, oui. À quoi quarantaine da basu le programme bah? Ça c'est on est obligé, c'est forcé d'avoir euh, des écoles mmh. qui n'ont pas fini le programme. Ok. Saura mm. kuma suna karewa. Ouais. Il y a beaucoup des écoles qui finissent le programme. Mmh. Oui, oui. D'accord. ne kuma yake so ya magana anan ga? Yake so ya ga ya ne ya shirya shirin shi. Yaya ne? Lamin Umaru, akwai shawarar zaka ba wa'annan kannan naka? Tunda kai bakin da ka kare shi. Shawarar da da zan iya ba su shine su kwantar da hankalin su. Abinda Allah ya ce zaka samu kana samun shi. Kuma mhm, mhm. stress kin nan in ka stress kwarai yana iya hana ka ma ka samu bak. Paske wata ran in ka ta yi tuzo sai cewa afiri abin da ka koya ma in ka ta idan saboda stress sai kamance shi eh, alor lorkiyo in ka yi metrizan stress kin nan ka huta da kyau ka sa cikin kanka da abinda na doka abinda na iya deja in na ta yi shi dai ne za a kawo shi zan yi kuma examen kin dole ne in yi shi kenan ina son shi tsaya zan yi yin shi da kyau hmm. kenan kana samun concentration kana samun nutsuwa ka tsaya kai examen ɗinka da kyau amma in ka za cikin kanka a dan saboda mutane ne nake yin shi ba dan kaina ba in ban samu bukaka za su kalle ni yau ko baka samu bane premier fois in ka tai dojin fois ya kamata a ce ka tsaya kai concentrate in baka tsaya kai concentrate ka kare irin na hari kuma ka kara haɗowa a ba baba yi karatu bane ka yi karatu ka yi komi ka sa kudari amma baka hankalinka ba amma kana nan baka sa hankali dan saboda mutane il faut que mutum ya sa cikin kanshi da examen ne na yi karatu na yi aiki insha Allah samu zan yi kuma in na ta yi il faut que in samu nutsuwa il faut que in kwantar da hankali na parce que in ba kwantar da hankalinka bai yiwa to kun jire ko in kun ya ji jiki ya tsira to kun jire mulai yayi magana ba su kan wannan magana ta mulai za mu ƙara koma hallo tun da shirin namu haka yake mu shakata Pour vous encourager, encourager tous nos vaillants candidats, je vous propose Jérusalem de Master KG. Cette chanson a fait danser plus d'un. Jerusalem, I lami ilondoloze uhambe zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze indawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami indawo yami ayikholana buso wami awukholana la Fada aux côtés de nos bacheliers. On est en train d'aller tout doucement vers la fin de cette émission. Tambaya ta ta karshe a cikin wannan shirin ina so in sani. Quels sont les pièges à éviter selon vous organisateur qui wannan da kuke so ku de ma wannan ɗaliban. Selon toi, Ubandawaki, quels sont les pièges à éviter les candidats? Me zaka ce Quels sont les pièges à éviter cikin wannan abin turkin da za su tafiya? To gaskiya ni ina ganin kamar yadda muka samu da taimakon conferencier mm. muka gaya musu tsoro da stress wannan ya kamata su hidda shi kuma tunanin ban samu tunanin nan akwai wani mushe na filosofa da muka kawo mm. ya gaya musu da tunanin ban samu kamar tunanin negativity ne tunanin rishin sa'an in kana abu ka sa cikin kanka kullum insha Allahu za ka same shi sawa cikin kanka ma a ranka za ka samu shi ma kaman ka samu ne mm. tunda kana sa a ranka Eh, ide kamar tunanin ka samu to insha Allah wannan tunanin shine zai sa ya kara ma courage dan saboda ka samu jarabawa wannan to kun shirya uban da yi magana conférencier Rafat voilà oui donc euh, vous savez je sais bien que même vous avez fait le bac ah oui, le, le bac stress hein. le stress à l'approche du bac vous connaissez euh... Oui. Je t'ai plutôt confiante. Hein? Pour moi, quand tu fais la terminale A et que tu gères le français, la philosophie, t'as fini avec ça. Non, au moins, le stress à la poche du bac, là, vous connaissez, au moins, vous avez une voix En fait, ce qu'il faut pour le candidat, il faut d'abord, comme je l'ai dit au cours de la conférence, il faut la concentration. Il faudrait que le candidat soit extrêmement concentré. Cette concentration-là va mobiliser, comme je l'ai dit, des énergies et des ressources qui vont permettre au cerveau de la personne de pouvoir rester positif. Et là, j'ai parlé aussi. Exactement. D'être concentré. Après ça, merci. Oui, c'est tout ça, il y a la <laughs> possibilité. Voilà, <laughs> il faut éviter ça. Moi, je parle même du stress, surtout en salle d'examen. Parce que des fois, c'est lorsqu'on amène les épreuves que les candidats soient encore plus stressés. Est-ce que vous voyez Je les ai déjà édifiés, comme je vous ai dit, plusieurs points, quelques stratégies quand même qui vont leur permettre de réduire le stress, notamment la concentration, comme je l'ai dit, à les deux, mhm. mais aussi le fait de rester positif. Il faudrait que le candidat mette ou bien évacue toute idée négative. Je vais échouer, voilà, ça ne marche pas, etc. Les parents m'attendent. Est-ce que si je ne réussis pas, mon papa, ma maman, mon entourage, mes amis, oubliez toutes ces idées-là en les remplaçant par les idées positives comme le fait de dire non, l'examen là, il faut, non, non, je vais réussir cette année. Ça, c'est sûr. Pensez à d'autres choses, à la réussite. Comme, on l'a dit, dès que vous retrouvez dans une situation de, difficultés, difficulté, pensez à la réussite. Dire que, non, regarde, peu la réussite là, c'est comment ça, c'est comment, voilà, pensez à ça. Est-ce que vous voyez Et là, il y a un point qui est extrêmement important, qui est conseillé par même les psychiatres, Le plus grand psychiatre, Il y a un psychiatre français qui s'appelle Dominique, qui conseille, hmm. conseille cela la respiration ventrale, surtout ça. Je vous assure, madame ou bien demoiselle, essayez cela quand vous serez en, situation de, stress. Essayez de respirer profondément, comme je viens de le dire, jusqu'à trois fois. Et vous allez voir, ça va partir. Euh, il faut vous relaxer. Et surtout, il y a les candidats qui, c'est même à la veille du bac qu'ils révisent. Et ils pensent que non, c'est le jour là, c'est cette nuit là qu'ils vont maîtriser tout. Non, mais ah là, ça crée des troubles aussi. c'est la plus grande erreur que les candidats font. À la veille, vous ne devez pas réviser. Vous devez regarder des films drôles avec des amis. Allez, se détendre, prendre de l'air. Allez en boîte de nuit, si possible. Désolé, désolé. ne mettez <laughs> pas ça. On peut faire, une sortie avec des amis, causer, discuter, regarder la télé, une, des films drôles, des films, c'est pas n'importe quel musique, tout ça. La, musique, danser, il faut vous relaxer. C'est très important ça. Mhm, mhm. C'est très important. Donc, moi j'ai eu, donc, en grosso modo, voilà sur quoi nous avons eu à discuter dans la salle de conférence, mais là on l'a un peu intensifié comme ici on n'a pas assez de temps, on ne peut pas tout intensifier. kun shi dai rafat dai wanda za a cewa wannan makaranta ta gayyato don ya ba ma wa'annan 'yan makarantar ya ba su shawara bisa kan ya ne za a yi wannan dai jarabawa su ta lahiya kare ta lahiya kuma su cima gurin nasu to yanzu

très mouvementé sur la toile. Et comme ce qui se passe sur la toile n'a pas de limite, n'a pas de frontières, ce qui a retenu notre attention, ben, c'est la rencontre entre l'ancien président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire et l'actuel président du pays, Alassane Draman Ouattara. Ouais, les deux hommes se sont rencontrés. Une rencontre qui a eu lieu une trentaine de jours après le retour de Belgique de l'ancien président. Bon, Petit rappel, il n'était pas du tout en tourisme en Europe, hein. il était en prison. Petit rétro, pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi on parle, ben, je vous fais découvrir cette partie de l'histoire ivoirienne. En 2011, moi j'étais en terminale, seconde 2011, j'étais en première, voilà, c'est ça. En 2011, après les élections présidentielles, M. Alassane Draman Ouattara, alors opposant farouche du président de l'époque Laurent Gbagbo, a été proclamé vainqueur. Une victoire contestée par le président Laurent Gbagbo qui n'a pas hésité à utiliser la force pour vouloir s'imposer. De son côté, M. Alassane Draman Ouattara pouvait compter sur les soutiens de la communauté internationale pour accéder au pouvoir, chose qui fut faite quelques jours plus tard après que Laurent Gbagbo fut arrêté et détenu à la par la Cour pénale internationale. Accusé de crimes contre l'humanité et de massacre de la population, le désormais ex-président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, doit désormais prouver son innocence. Eh bien, dix ans après une saga judiciaire, Laurent Gbagbo fut blanchi et autorisé à rentrer au pays. À la date du 17 juin, M. Laurent Gbagbo rentra après plus de 10 ans d'exil. Et le mardi 27 juillet 2021, Laurent Gbagbo et Alassane Draman Ouattara se sont retrouvés au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire pour faire la paix. Comme deux potes qui se bagarrent pendant la récréation et qui finissent par faire la paix, Vous avez un peu l'image, non, quand on était à l'école. Ouais, voilà. Les deux hommes ont promis de se revoir fréquemment pour continuer les échanges. Tout ça pour la paix, disent-ils, oubliant ainsi des milliers de morts lors de la crise post-électorale. Car, selon un rapport de la mission de la Fédération internationale des droits humains, on dénombre depuis le second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010 près de 400 personnes tuées et 68 personnes disparu, oubliant également certaines victimes sans un dédommagement. En tout cas, cette union, au nom de la réconciliation, n'a pas laissé indifférents certains internautes, qu'ils soient ivoiriens ou pas. C'est un mauvais signal pour l'impunité pour des gens qui sont prisonniers de droit commun. A posté Fofana Ousmane et à Tungstone, un internaute congolais, de tweeter en ces termes. En Côte d'Ivoire, accolade et sourire entre les anciens rivaux, Babo et Ouattara. Ces deux-là doivent construire un monument de leur propre main en mémoire de toutes les victimes. Pour Boniface Moussavouli, on peut aussi éviter d'en arriver là. L'affaire Babo Ouattara est une leçon pour les extrémistes de tous bords. Après plusieurs morts, les politiciens se retrouvent tous sourire entre eux. Pourquoi perdre des vies alors qu'on peut régler les problèmes dans l'apaisement A-t-il posté sur son compte Eh bien, chers amis jeunes, les crises post-élection finissent toujours par se résoudre par une poignée de main. Et les morts ne sont jamais ressuscités au nom d'une quelconque réconciliation. Eh bien, ce n'est pas de mon rôle de vous dire quoi faire, mais prochainement, avant de répondre à la violence après une élection, pensez à la Côte d'Ivoire et dites-vous que ils finiront par se comprendre. Merci bien Olivier. Ben, c'est la fin de tout ça, la fada français à Nous étions avec euh, les futurs bacheliers, euh, je dirais, on a certainement avec nous des journalistes, des médecins et tout et tout. Ben, on va se retrouver après tout ça. to kun ji dai wannan euh, jaraba ta su wannan baccalaureate kin da ke jiran su ta bana sun shirya mata kuma hankalin su kwanta za su tahiya kuma kamar euh, euh, a kan da shi wannan yayan nasu mai taimaka musu ya gayi dazu kowanne sai ya kwantar da hankalin shi sannan za a samu ya cimma gurin nashi a kwantar da hankali ya ci a kwantar da hankali kuma a nutsu bisa kan abin da ya kai ka ka nutsu ka maido hankalinka duka bisa kan karatun naka da jarabawa taka za mu ce musu da sunan duka studio kalangu da ku masu mu muna musu allah ba su sa'a allah sa su cima wannan gurin nasu wannan bakin ta bana su ba ta kashi <laughs> su kada ta sai mu ci a huta lahiya za a ci gaba da hira tare da abokin aiki na don bisa kan duka wannan canje-canjen tsarin da aka musu na bakin bana sai an jima.